du studio Kalangu, chers auditeurs et auditrices, il vient d'être 11h et c'est l'heure de votre émission Le Niger sur Kalangu. À la présentation, Rabia Mekano et Habiba Ahmed. Habiba, comment vas-tu ce matin Je vais bien, Rabi, et toi Ça va super bien. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui Habiba, nous allons débuter cette édition avec le flash d'information. Dans ce numéro, nous aurons également dans la rubrique Écho des régions qui nous amène à Difa. Et dans quelques instants, nous en saurons plus sur l'état d'avancement du projet du barrage tant attendu par les Nigériens. Amadou Haruna, DG de l'agence du barrage de Kandaji, au micro de Niali. Nous aurons également la rubrique hebdo consacrée à la santé, le loti préparé par l'équipe femme du studio Kalangu et notre page sport. L'édition est assurée par Adama Dawaki et la technique par Seini Isaka. Top, c'est parti. On débute cette émission avec les flashs d'information avec Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Bonjour Mokhtar. Bonjour euh, Rabi, bonjour euh, Habiba. C'est quoi l'actualité ce matin Voilà le flash d'information à présent. Les combats de la 44e édition du Sabre national Agadez 2023 étaient à leur troisième journée hier, lundi 25 décembre. Ils ont vu la chute de deux lutteurs invaincus de la région haute Agadez dans l'après-midi en seconde opposition avec Zender. Il s'agit de Ibrahim Mahman et Lamine Seydou Medaba. La rencontre s'est soldée sur le score de 6 à 2 en faveur de Zender avec 2 nuls. Dans la matinée, Difa s'est incliné face à Maradi sur le score de 7 à 3 et en seconde rencontre, les régions de Niamey et de Dosso se sont séparés dos à dos avec euh, cinq victoires chacune. Dans l'après-midi, en première opposition, la région de Tilaberi a perdu face à celle de Tawa 8 victoires à 2. Le gouverneur de la région de Maradi, Issoufou Mahaman, a présidé hier lundi 25 décembre la cérémonie de lancement de la cinquième édition du championnat national de Scrabble. Pour la première fois, ce championnat se tient à l'intérieur du pays. Cette édition a enregistré la présence de 50 joueurs venus des huit régions du Niger. Elle se tient du 25 au 28 décembre. Le gouverneur de Maradi a indiqué que le Scrabble est une discipline qui gagne et qui fait honneur au pays au-delà de ses frontières. Pour rappel, le Niger a remporté le titre de champion d'Afrique au championnat africain de 2022 à Yaoundé et classé vice-champion en 2017 et en 2021. À l'issue de la réunion de coordination tenue avec leurs homologues du Maroc, du Maroc samedi 23 décembre à Marrakech, les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Tchad ont exprimé l'adhésion de leur pays à l'initiative internationale du roi Mohamed VI pour faciliter l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique. Dans le communiqué final, les chefs de la diplomatie et des pays membres de l'Alliance des États du Sahel et le Tchad ont convenu de plusieurs mesures pour concrétiser cette initiative de portée régionale et internationale, offrant ainsi de grandes opportunités pour la transformation économique de l'ensemble de la région. Et c'est ici que prend fin le flash d'information de ce mardi 26 décembre 2023. Merci, bien, Martin. Alors, Habiba, parlons mhm. à présent du barrage de Kandaji, élément central du programme Kandaji de régénération des écosystèmes et de mise en valeur du fleuve Niger, est un barrage en cours de construction à Dessa, au sud d'Aïrou, région de Tilaberi. Sa construction a été lancée en 2008, mais les travaux ont réellement commencé en mars 2019, après une décennie d'inactivité faute de financement. Il devrait être terminé en 2025. Où en sommes-nous quant à l'évolution de ce projet cher à de millions de Nigériens Restez à l'écoute. Mais avant Rabi, nous allons avec la première sélection de notre playlist avec les titres Zebanakoy de l'orchestre Tubal de Tubalado. Ballara da kwai bejan sai malara da kwai. Tubalado. Ballara da kwai griba kwai malara da kwai. Tubalado. Ballara da kwai gaigai sai malara da kwai. Tubalado. Ballara da kwai boka nai malara da kwai. Tubalado. Ballara da kwai. Tubalado. Fora da kwai ka hankan. Cha cha cha cha cha. Abu cette chanson de l'orchestre Toubal de Dosso que vous êtes en train de kiffer. Une chanson à travers laquelle le regretté dernier de son frère nom, Hassan Isaka, fait l'éloge du tambour traditionnel du sultanat de Dosso qu'on appelle Toubal. Dans cette chanson, il explique l'importance de ces tambours et les conditions dans lesquelles il résonnent. En effet, le tambour ne résonne que pour informer la population de la disparition du chef traditionnel ou dans le cas de son intronisation. Il est également joué lors des grands événements. Il s'agit d'un point important de la culture de Dosso que dévoile cette chanson qui, en son temps, a été appréciée et continue d'être appréciée par les Nigériens. C'était le titre Zeban de Dernier du Tubala de Rousseau. Habiba, passons à l'entretien euh, du jour. Oui, Rabi, dans la première partie de notre entretien, le directeur de l'agence du barrage des Candages revient sur les taux d'exécution et les secteurs qui seront touchés par la réussite de ce projet. Amadou Harouna, DG de l'agence du barrage des Candages, au micro de Alinelli. C'est un projet extrêmement important parce qu'il couvre plusieurs secteurs. D'abord, la question de la sauvegarde de l'écosystème du fleuve Niger Ensuite, la question de la sécurité alimentaire, puisque c'est un barrage qui va nous permettre, en tout cas à moyen terme, d'aménager 45 000 hectares. Une étude que nous avons faite récemment pour, a montré également qu'on peut aménager jusqu'à 720 000 hectares sur le bassin du fleuve Niger. C'est un projet également qui va nous permettre donc euh, d'augmenter notre sécurité en matière énergétique. Donc euh, c'est de bon temps que les Nigériens attendent ce projet-là qui touche vraiment les domaines très sensibles de, la question, évidemment la question de l'eau de façon générale. Alors la question, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui avec, euh, avec la construction de ce barrage-là Pour bien comprendre ça, il faut rappeler que euh, le projet est structuré en plusieurs composantes. Déjà, quand on parle du barrage lui-même, il faut dire que nous avons le génie civil du barrage, qui est une sous-composante importante. Nous avons la centrale hydroélectrique la centrale qui est la deuxième sous-composante et nous avons la ligne de transport d'énergie. C'est tout ça qui constitue donc au niveau de l'infrastructure du barrage. Alors pour le génie civil du barrage, les travaux ont été confiés à une entreprise chinoise qui est en train d'exécuter. Nous sommes aujourd'hui à un taux d'exécution de, 30% pour un délai consommé d'à peu près 87% puisqu'il y a eu quand même une prolongation de délai dû à un certain nombre de contingences que nous avons rencontrées. Le lot 2, la centrale hydroélectrique, confie également à un groupement d'entreprises, deux entreprises chinoises en fait, dans celle qui est sur le lot 1. Le processus est en cours aussi. Aujourd'hui, nous sommes euh, au niveau de l'approbation du modèle réduit. Parce que quand vous allez construire une, centrale comme ça, il faut faire d'abord un petit modèle réduit. On voit comment il fonctionne et après on passe à l'autre. Donc on a adopté déjà le modèle réduit. Et pour la ligne de transport d'énergie, c'est un marché qui a été confié à une entreprise. Euh, indienne. Là également, les choses avancent. Aujourd'hui, nous sommes à un taux d'exécution d'environ 20% et le processus continue. Ça, c'est ce qui concerne donc l'infrastructure. Maintenant, en face de ça, il y a quand même la question des sauvegardes environnementales et sociales. Et dans cette composante sauvegarde environnementale et sociale, nous avons la composante réinstallation des populations qui est extrêmement importante et qui doit aller de pair avec l'infrastructure. Parce que les accords que nous avons signés, et même dans la pratique, il va falloir euh, finir la réinstallation des populations avant de mettre sous eau les barrages. Puisque si nous mettons sous eau les barrages, euh, les populations sont là, les villages vont être inondés, tout va être inondé. Donc il faut faire en sorte que ces deux sous-composantes-là partent ensemble. Le risque, c'est quoi C'est de finir le, génie, le barrage et on n'a pas fini la réinstallation des populations. Ça fait que donc de ce côté aussi, nous avons avancé. Nous avons, pour euh, bien reçu cette réinstallation, nous avons fait deux vagues, deux groupes en fait. Le premier groupe, ce sont les populations qui sont installées sur le site du barrage, là où nous devons faire les travaux, et des populations qui seront impactées pendant l'exécution des travaux. Nous sommes aujourd'hui au stade de l'aménagement des sites puisque les sites où on doit les réinstaller doivent être discutés avec les populations. Donc pour me résumer, je dirais que la situation actuelle des travaux, d'abord tout euh, ce que j'avais rappelé comme infrastructure, euh, les travaux sont plus ou moins à l'arrêt, en tout cas pour le lot 1, le, génie civil du barrage, les travaux sont à l'arrêt depuis le 10 août. Mais à la vérité, il faut rappeler, il faut préciser que depuis le mois de mai et de juin 2026, il y avait des soucis. Le taux d'avancement des travaux était très très très lent, très faible, qui frisait même euh, l'arrêt des travaux. Et l'entreprise euh, disait qu'elle n'avait pas été payée entièrement et donc elle ne pouvait pas continuer à travailler sans être payée. Voilà un peu dans cette situation, des, efforts sont en train d'être faits pour résoudre toutes ces questions-là, pour pouvoir vraiment relancer de façon définitive la construction du barrage. Euh, nous savons qu'avec le gouvernement du 26 juillet, notre électricité a été coupée, la frontière avec le Nigeria, et beaucoup de Nigériens attendent de, ce barrage-là. En termes de, satisfaction, vous pensez que ce barrage, une fois mis en place, pourrait vraiment répondre aux besoins énergétiques oui, ce qu'il faut dire déjà, hein, c'est que j'ai rappelé un peu les objectifs du barrage de Kandaji. C'est vrai qu'on a toujours tendance à penser que c'était que l'énergie, mais enfin, le barrage de Kandaji, c'est la centrale qu'on va installer, est une centrale de 130 MW. Nous y ajouterons une centrale solaire de 70 MW. Donc si tout est fini, nous avons quand même 200 MW. 200 MW, c'est assez important. Et ça va certainement contribuer à améliorer et à nous assurer dans le cadre de la fourniture d'énergie au Niger. Je pense que ça apportera vraiment une contribution qui plus est, c'est de l'énergie propre, comme on dit, puisque c'est l'eau qui va tourner pour amener l'énergie, ça coûte pas cher, et donc c'est vraiment un apport extrêmement important pour le Niger. Merci euh, Amadou Harouna, directeur général de l'agence du barrage de Kandaji et Alignali pour tous ces éclaircissements, pour tous ces éclaircissements sur l'état d'avancement en des travaux du barrage de Kandaji. Avant d'entamer la seconde partie de notre entretien, reportant dans notre playlist du jour, cette fois-ci avec un grand bol de café ou de thé pour les amateurs de thé, <laughs> avec ce titre clair du groupe Tal National pour faire plaisir. Gotta de l'orchestre TAL national de Niamey. On espère que ce titre a réveillé nos auditeurs de la capitale, particulièrement aux femmes. Ouais, particulièrement les femmes, hein, vraiment. <laughs> Alors, poursuivons avec euh, la deuxième partie de notre entretien. En effet, le projet de construction du barrage de Kandaji à 189 km du nord-ouest de Niamey a pour objectif d'accroître la production des denrées alimentaires et d'électricité, stimuler les emplois et ouvrir des perspectives économiques au profit des familles et des communautés. En ce qui concerne les aménagements hydro-agricoles, j'avais parlé de, 45 000 hectares. Nous avons fait une étude de faisabilité pour les 45 000 hectares et de, ces 45 000 hectares, nous avons déduit 20 000 hectares pour lesquels nous avons réalisé des études d'avant-projet sommaire. Et ça, ça va nous amener jusqu'à des études euh, du lancement d'un appel d'offres. En tout cas, nous sommes en train de préparer l'APD, l'avant-projet détaillé et presque terminé. Alors, ce qu'il faut dire déjà en ce qui concerne les aménagements agricoles, nous avons déjà aujourd'hui réalisé 2 000 hectares d'aménagement agricole. Nous nous préparons à lancer pour 6 hectares. Mais ça, c'est d'abord pour compenser les populations, puisque ces populations quand même qui travaillaient au niveau de ces aménagements agricoles-là, ils avaient leur terre. Donc les aménagements ont été faits, après ils vont être compensés. Nous sommes en train de réaliser une étude euh, d'un projet, on va dire, euh, pilote, pour faire ce que nous appelons un pôle de développement, un pôle de croissance au niveau de l'irrigation de faire en sorte que le privé et puis les, les trucs là trouvent une, formule pour, développer un peu l'agriculture. Et donc l'ambition, c'est de réaliser 45 000 hectares. Certainement que si nous arrivons à finaliser le barrage, à réaliser tous ces aménagements agricoles, à trouver la formule qui s'y est pour l'exploitation, parce que ça va être des privés, ça va être tous les Nigériens de partout où ils sont peuvent venir travailler sur ces aménagements-là. Nous allons apporter vraiment une contribution extrêmement importante pour en tout cas améliorer la sécurité alimentaire dans notre pays par je voudrais revenir avec vous sur euh, le système, l'écosystème que vous avez trouvé dans, le projet, euh, les travaux du projet, parce que le projet de barrage de c'est un gros projet. Donc ça peut peut-être avoir des impacts environnementaux sur le milieu. Qu'est-ce que vous avez pris comme disposition pour corriger l'écosystème et aussi également pour lutter parce que c'est l'eau du fleuve qu'on va utiliser. Donc avec le changement climatique aussi, si le fleuve continue à être ensablé, donc euh, l'eau ne va pas aussi couler comme on et quand j'avais commencé à dire un peu les objectifs du, programme Kandaji, j'ai commencé par la sauvegarde de l'écosystème du fleuve Niger. Tout simplement parce que, quelque part, c'est cet aspect-là même qui a mobilisé, qui nous a permis de mobiliser les, les, bailleurs de fonds. La réunion qui a eu, qui la table ronde qui a eu à Jada en 2007 avait mis l'accent sur, sur cet aspect-là. Et beaucoup de bailleurs de fonds, c'est cet aspect-là qui est important. Parce que, euh, comme vous l'avez si bien rappelé, euh, le fleuve Niger commence à mourir. Hein. Il y a des années où il y a des périodes où vous pouvez traverser le fleuve à pied au niveau de Niamey. Il n'y a, pas d'eau. Et, tout l'écosystème, ces caractéristiques commence à disparaître. Bon, évidemment, il y a la question de l'assablement qui vient s'ajouter aussi, tout ça. C'est une grande préoccupation. Et quand on sait que les besoins en eau, pour l'essentiel de beaucoup de populations, vient de ce fleuve-là. La ville de Niamey, elle prend pour l'essentiel ses besoins en eau de ce fleuve-là. Donc, l'un des objectifs du programme Kandaji, c'est de sauvegarder l'écosystème du, fleuve Niger, c'est de faire en sorte qu'il y ait un débit de d'étiage de 120 mètres cubes secondes au niveau de la ville de Niamey. C'est-à-dire toute l'année, il y aura, dans, les pires des cas, nous avons un taux de 120 mètres cubes à Donc ça va couler toujours. Et dans le cadre de, de l'ABN, l'autorité du bassin du Niger, évidemment, un ouvrage comme ça, quand vous le faites, il y a toujours des impacts aussi dans les autres pays. Et dans le cadre de l'ABN, les chefs d'État avaient adopté ce qu'ils appelaient la, euh, la, vision partagée. Et nous devons faire en sorte aussi qu'il y a un débit d'étiage de 80 mètres cubes secondes au niveau de la frontière avec le Bénin et le Nigeria. Alors nous avons un volet extrêmement important qui concerne l'environnement. Tout à l'heure, j'ai parlé du volet de la composante sauvegarde environnementale et sociale. Et je n'ai parlé que de la sous-composante réinstallation. Mais il y, a tout le volet euh, environnemental et social qui est, qui, est, euh, extrêmement important, pour lequel euh, nous sommes en train de travailler avec beaucoup de structures parce que ici, l'option qu'on avait choisie, c'était de passer des conventions avec les structures compétentes dans le domaine. Nous avons une dizaine de conventions que nous avons signées avec euh, la direction de l'environnement, la direction des eaux et forêts, en fait, tous ceux qui interviennent dans le domaine de, de l'environnement. Donc, euh, avant de terminer notre entretien, à quand les Nigériens peuvent respecter Bien, je sais que je n'allais pas échapper à cette question-là, <laughs> effectivement, c'est ça qui intéresse les Nigériens de savoir. Le planning qu'on avait, c'était de terminer ça en 2025. Tout le planning avec les entreprises, tout ça a été ficelé pour cela. Bon, il y a eu des difficultés. Il y a cette question des, des paiements des décomptes qui est venue, il y a un certain nombre de difficultés. Il y a eu, il faut le dire aussi, la suspension des, financements de certains bailleurs de fonds, euh, sur, dans le, la suspension des décaissements des bailleurs de fonds qui ont ralenti. Nous sommes en train de travailler aujourd'hui avec l'entreprise pour résoudre toutes ces questions-là et revoir le planning pour avoir une date. Mais c'est un peu difficile, je dois avouer, de vous dire que, à ce qui est certain, en 2026, on ne pourra pas le finir. Voilà, c'était l'entretien réalisé par Ali Niali. Il était avec le directeur général de l'agence de barrage de Kandaji. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé, l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Allons à présent dans le Nord pour la rubrique Hebdo Santé. Après 50 ans d'exploitation, la compagnie minière Dakuta Cominac à Arlit a cessé sa production le 31 mars 2021. Cependant, elle a cédé la gestion de l'hôpital dont elle avait la charge à la municipalité. Le centre hospitalier continue de fonctionner afin que le droit à la santé des populations ne soit pas interrompu dans la ville. Pour une bonne compréhension de la situation, les structures, associations et groupements féminins d'Arlit sensibilisent la population sur la situation, la gestion et le fonctionnement de la structure. Les reportages de Ousmane Oumarou. Cette conférence organisée par la coordination des structures associatives, groupement féminin, club des femmes leaders a regroupé une foule non moins négligeable. Les interventions les unes après les autres ont tenu en haleine les échanges combien constructifs. Le secrétaire général de la mairie d'Arlette, Omar Jirji, n'a pas manqué de souligner les efforts consentis pour améliorer l'accès à la santé des populations. Akoy Ayuka, Dadama, wanda wanda meri ta yi su eh, na farko ginin block surgical gidan fashi wanda an yi a nan siyasi kare sannan akwai construction na block radiologic akwai electrification na siyasi da an yi guda hudu masu aiki da hasken rana akwai construction na maternity wadda aka yi o siyasi kare an gina incinerator wuri ne inda ake toye dauda na likita akwai transformation da aka yi an juye tsaffin lojima na eh, areba wanda kowa ya sani nan Eh, meri ta yi jan kokari aka same su aka maido csc bukoki an wanda gidajen shi sun fadi akwai post na lambadar da aka yi cikin likitoci csc eh, da dama kasu da sante an kai ekipema na firigo paske akwai maganin kanda da dole sai cikin wuri mai sanyi Madame Malam Garba, Dr Zara, sur le contenu de la Convention de transfert de l'hôpital Cominac à l'État du Niger. Matsaloli da suka sa Cominac ta rihe ta da aikin ta ta ce to wannan likitan nan ai ba a barin ta banza shikenan yanzu sai abin da zai ma jama'a unhani dai likitan nan ta koma an ba gwamnati ita amma ba ce ba gasa nan ku zo ku ɗauki likita shikenan ni na ida da ku ka'idodi ne an kasa cikin wannan ba da likitan nan don kwaminat ta ce shekara goma zan kama muku don kusan shi ne aka doki alkawari kuma me wannan specialist da kominak ta dinga kawowa daga yammai ko agares wanda babu su a nan wurin kawo su ne ake suka aiki a maida su kominak da somayir sai suka yi a convention tsakanin su kuma kenan somayir ya rika kawo mutanen nan amma gamuwa ake ana raba sharshkin in yayi ya normal normalman gwamnati ya kamata ya dauki hannu ya rika kawowa specialist kin in affectan su ne za a yi gaba ɗaya na wurin in kuma vacation kin ne za a rika yi komina kuma ta ce ta doki alkawali zirakiyar cikin shekarun goma nan da wuta da ruwa da gyaran mashinoni da suke aiki. Pour Dr. Hamadu Zaku ya kalli services auxquels le different prestation LRQ. Wannan yana jawabi ba yau muka fara shi ba mun jima muna yin shi muna taro a cikin gari kuma muna waye mutane kai a gidan radio bisa kai ga abu ne wanda bai kamata ba kuma babu wani doka ko babu wani likita wanda ya yarda wannan abun. har ya kai ma akwai lokacin da muka ba da lamba kuma in akwai shaida na san ba a rasa wanda kungiya ta jan wannan ba a rasa wanda an kai ma wannan abin wanda an ka karbi kuɗi a hannunsu sun ka kira mu mun ka maida su an ka maida musu kuɗin su menene kuɗin da an ka da likita in kuka ɗauka duk sai sikin da a cikin department ɗin arlit duka 700 francs ne kenan 140 ne consultation in ya kai cutar ka take da dan karfi wanda yana yiwa dole sai an dan sa ma ido awa daya awa biyu zuwa awa 24 ɗari uku ne ake amsa ko ka warke ka koma gida ko likita ce a abun ya yi karfin shi ka je hospital kenan a cikin sai haka ne akwai maganin da ba mu ajiye a likita duk magani da gare mu generic ne yau ba yawa ka zo ka samu dolipran a likita ba yawa ka zo ka samu almisali misali A à l'issue de ces échanges beaucoup de ceux qui étaient présents se sont dû édifier et ont salué l'initiative un reportage réalisé par Ousmane Oumarou depuis Arlit. Et Habiba sont toujours à Arlit, mais cette fois-ci en musique, avec la guitare ensorcelante de Adam Lemek avec son titre Asoufnam. Oui. <laughs> تيني كم دكتا درهون ما نغور ملي نبيني تيني كم دكتا درهون ما نغور ملي سهيل سوفنا يسار غمان وقت غلسة في سهيل سوفنا يسار غمان وقت غلسة تميدي تيني كم دكتا ما نغور ملي تميدي تيني كم دكتا ما نغور ملي gamte gadara darbuun mana oromeellee samiitti. Le jeune artiste du département d'Arlit chante son amour ardent pour sa bien-aimée. Il a fait danser ma binôme au studio. Beaucoup même. <laughs> Une pensée envers lui et tout le couple en désignant actuellement à travers ses titres Asoufnam, qui veut dire le manque ardent, la nostalgie de son âme sœur. Habiba, cet artiste euh, a aussi un talent pour interpréter les poésies anciennes sous forme voilà, de musique. En espérant que ce titre a fait plaisir, aux amoureux qui nous écoutent en ce moment et qui comprennent cette langue surtout. <laughs> Bien sûr. <laughs> voilà. Euh, c'était le titre Assoufnam de Adam Lemek. À présent, place à la rubrique Écho des régions et elle nous amène à Difa, n'est-ce pas Habiba Oui Rabi, parlons d'un centre mère et enfant de Difa, dans un service chargé d'accueillir les enfants de 6 mois à 59 mois atteints de malnutrition, une maladie qui peut nuire à la santé des enfants atteints. Le reportage signé Yudu Abdrahman. Nous sommes au centre de santé mère et enfant de Difa. Ici, on retrouve des femmes de différents coins de la ville qui sont venues pour des soins. La grande majorité ont amené leurs enfants qui souffrent de malnutrition. La plupart d'entre eux sont des enfants réfugiés qui ont quitté leur localité pour cause d'insécurité. Ce sont eux qui sont les plus touchés par cette maladie, explique le major Idrissa Touda responsable du service nutrition au centre mère et enfant. da difa shi ta kwamaso ko kuma damuwa da ake cewa cuta ce na karamcin abinci da sinadarai masu gina jiki a gaskiya akwai mata sosai masu zuwa da yara masu tamuwa birni da kawai duka suna zuwa kuma da akwai mutane wanda ake cewa refugee su ma suka yawa yara ne masu wata shida zuwa wata hamsin da tara su ne ake ɗauka a kan tamuwa gaskiya akwai cututtuka kamar ka ɗauka wani rashin lahiya rashin tsaftace wajaje masu kawo yaro ya zawo haya a cikin tamuwa gaskiya ana kula su sai da su tunda akwai auna auna da ake yi akwai madara da ake badawa kuma akwai maganin da ake samu su a gani yaro ya warware kafin a tura shi greenhouse wanga shekara in ka ɗauka almisali daga mai zuwa october yaran da muka samu 779 masu fama da wannan da lura na tamuwa mun diba a shekarar bara mutanen da an samu dubu biyu da satin adadin su ya rage L'enfant de aisha Amadou souffre de malnutrition depuis son sevrage au lait maternel. Elle est vite prise en charge. Cutar damuwa ce ta kama yaro na na kawo shi kuma alhamdulillahi tunda muka zo aka fara mishi aiki ya samu sauki ba kamar sanda na kawo shi ba. Gaskiya wannan yaron zan ce tun yana shan nono dama haka yake. To kuma da na yaye shi to abin sai ya ci karfin shi to shi ne na ɗauko shi na kawo shi likita mun samu kulawa ta musamman saboda ya ji sauki yanzu sosai. Malam Amadu Abubakar, un père de famille que nous avons rencontré au camp de réfugiés. Cet état des enfants est dû au manque d'aide alimentaire adéquate. selon les médecins du centre de santé environ 800 enfants atteints de la malnutrition ont été enregistrés cette année, contre plus de 2000 l'année dernière. Un chiffre en baisse qui reflète le soutien des organisations et les associations dans la ville de Difa. Un reportage de Guidi Abdrahman. Merci Guidi depuis Difa. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Attaquons la page sport avec notre chroniqueur sportif, Grouza Hassoumi. Bonjour Grouza. Bonjour euh, Rabi, bonjour Rabiba. Alors Hassoumi, aujourd'hui nous aurons euh, des échos de Agadez grâce à Adam euh, notre Sariou, voilà, depuis Agadez, qui est en ligne là. Oui, voilà. la reine Aboubakar Jibo accueille, vous le savez, depuis quelques jours, la 44e édition de la lutte traditionnelle. C'est un sport roi au Niger. Adam va nous faire euh, euh, le point de la troisième journée. Adam Bonjour Adam. Bonjour Adam. bonjour Gruda, bonjour Rabi. Bonjour. Eh, alors, euh, il faut nous faire la situation de la troisième journée. Ok, Gruda, pour la troisième journée, on peut noter la chute de deux anciens champions, à savoir Ousmane Aboudi Janvier et Laminou Medaba Dagadez. Voilà, présentez-nous maintenant le nombre de lutteurs invaincus. Alors, à la fin de la troisième journée, on a 15 lutteurs invaincus. Ainsi, la région de Tawa et la région de Zender qui ont trois lutteurs chacun. Dosso, Tilaberi, Maradi et Niamey avec deux lutteurs invaincus. La région de Difa avec un lutteur et enfin la région d'Agadez qui a zéro lutteur. Oui, on sait que c'est Agadez qui accueille l'événement et puis Agadez n'a pas de lutteur en liste. Comment la ville d'Agadez a accueilli la chute de Laminou Meidaba eh bien, vous je vous assure, depuis hier soir, la ville était silencieuse. Ce matin, très tôt, l'arène était presque vide. Il n'y avait pas les fans de la Medaba qui étaient certainement, probablement déçus par la chute de leur champion. Et euh. le comité d'organisation, pour riposter à cela, était obligé même de réduire les prix des tickets de 1000 francs pour les gradins à 500 et la tribune officielle qui était à 2000 francs à 1000 francs. Oui, c'est pour faire en sorte que le public, euh, euh, en tout cas, vienne nombreux. On comprend. Effectivement, M. Bouda. Oui. Et ce matin, il y a eu euh, des combats. Tawa opposé à Agadez. Juste après, il y aura Maradi, Niamey. Parlez-nous un peu de ces combats. Eh bien, la région de Tawa a vaincu la région d'Agadez sur le score de 7 à 3 en faveur d'Agadez. Mais il faut cependant noter qu'à l'issue de ce match, les trois lutteurs invaincus de la région de Tawa restent toujours en cours. Ah, c'est une bonne nouvelle. Et, présentement, la région de Niamey est opposée à la région de Maradi. Et là également, les deux lutteurs de chaque côté sont passés et ont reçu leur combat. Ça veut dire qu'ils ont eu leur billet pour euh, le second tour. Allez, et le soir, on aura Dosso, Dosso Difa, non Et Zender euh, Tilaberi. Eh bien, oui, Gourouza, c'est des matchs très attendus parce que de chaque côté aussi, il y a des lutteurs invaincus. Hmm. Donc, euh, euh, voilà, Adam, euh, merci. Merci, Adam. Merci, Adam. Pour ces couleurs d'Agadez. Un big up à tout, à tout Agadez qui nous écoute en ce moment sur cette émission. Voilà, Rabi, pour le sport d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Grouza. Chers auditeurs, j'espère que vous nous suivez très bien sur cette émission. Après les sports, allons découvrir notre star du jour dans la rubrique portrait. Voilà, oui, Habiba, le portrait nous fera découvrir Ibrahim Adam Zidia, alias Mr. Barret. Il est âgé de 25 ans et s'est déjà démarqué des autres artistes de la capitale de euh, l'Ader. Dans ce portrait, Tarnan Foudé Ahmed met en lumière la détermination et les projets d'avenir du jeune rappeur. Yeah. Révélation du rap au cœur de la capitale de l'Aïr, Ibrahim Adam Zidiane en 1996 à Agadez s'annonce comme l'une des superstars du rap moderne nigérien. Avec son accoutrement traditionnel, Barré de son nom d'artiste met l'ambiance et bouge grand et enfant dans une cité où la guitare touareg domine. Ici, il nous explique les raisons qui l'ont poussé à faire du rap, contrairement à ses deux grands frères Oumar et en connus dans un autre style de la musique. Depuis mon enfance, depuis tout petit, mon seul objectif c'est d'être rappeur, c'est de, faire des concerts, motiver les gens, faire danser les gens, tout ça. Mais je commençais ma carrière en 2016-2017. C'est vrai que j'aime beaucoup la guitare, j'aime beaucoup ma culture. Déjà, on est, on est au nombre de trois artistes, donc moi j'ai décidé de, de, faire le rap. Le rap ne domine pas à Agadez, indiquent les jeunes artistes. D'ailleurs, c'est pourquoi il est venu avec un nouveau style pour révolutionner ce qu'il aimait depuis son enfance. Petit à petit, il dispose aujourd'hui de deux albums et un studio où il s'enregistre lui-même et enregistre d'autres musiciens de la ville. La base, c'est le rap mais je me suis pas arrêté là-bas. Au début, je commençais, c'est vrai, avec les rap. Ma première mixtape, était 100% rap. Mais après, la deuxième, je mélangeais tout. La L'afro-trap, la grag del sol, la bagadez, les rap, ça domine pas. Donc, euh, on est venu motiver les gens d'une autre manière. J'ai un peu modernisé mon rap. Je l'ai modifié. J'ai apporté quelque chose que les gens ne savaient pas avant. J'ai mis des touches, de la guitare dedans. Au début, j'ai pas enregistré. Mais finalement, là, j'ai un studio à la maison. Je m'enregistre moi-même. Et j'ai des albums. Premier album, s'appelle euh, Strange MC. Deuxième euh, Apocalypto. Pour l'instant, Barré n'a pas dépassé Agadez et Niamey dans le cadre de sa musique. Cependant, il vise loin, produire une mixtape en langue locale pour faire connaître sa tradition et sa culture hors des frontières nationales. n'ai pas dépassé Agadez et Niamey. Niamey même, en fait, c'est la première fois en tant qu'artiste. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup de projets. Déjà, je suis en train de préparer une troisième mixtape. Ça, c'est la langue Hausa que je mets dedans. L'objectif, c'est de faire évoluer ma tradition, ma culture à l'étranger. Troisième, au niveau journal Waka édition 2023, Mr Baré était présent à la grande finale du tournoi national Waka à Niamey. Merci bien Tarnan. Bouclons notre playlist avec la musique traditionnelle de Shebo Abdou. Vous êtes bien sur l'émission Le Niger sur Kalango, en espérant que ce titre de Cheibou Abdou a fait plaisir aux papiers et mamies qui nous écoutent en ce moment. Attaquons la rubrique Loti qui a pensé aux tout petits aujourd'hui. Oui, Rabi, ces derniers temps, on constate une variation de température entre la journée et les soirs. Et en cette période, il est nécessaire de bien protéger les enfants pour les préserver de toute maladie liée à la saison. N'est-ce pas, Rukayet Abdraman et Affairage, affairage, affairage, affairage. que je vois courir dans tous les sens là, en plus, il ne porte ni vêtements ni chaussures. L'allée Barira, sois la bienvenue d'abord. Hmm. Tu vois non comment Adnan est têtu comme une mule. Il n'aime pas du tout s'habiller, même avec ce froid-là. Mais bon, tu sais, mon enfant est robuste. Hein. Et eh, à la voisine, comment tu peux dire cela Tu ne sais pas que cette période de froid est propice aux infections respiratoires <laughs> Lelé, depuis qu'il y a infection de respiration aussi, hmm. on aura tout entendu avec toi. arrête tes blagues. Ce n'est pas toi qui es venu chercher l'assistance la dernière fois quand ta fille Mina toussait. Tu te souviens Elle avait la fièvre et les narines bouchées. Comment oublier ce jour toi aussi J'ai cru que j'allais perdre ma fille. Mais où est le rapport Les docteurs ne t'avaient pas dit que Mina souffrait de pneumonie, une maladie respiratoire Ah oui, je viens de me rappeler à présent. Tu sais, ce jour-là, le docteur ne m'a même pas donné les raisons de cette maladie. Écoute, madame, peu importe qu'ils te donnent les raisons ou non, tu ne dois pas laisser tes enfants tomber malades. Ils sont vulnérables aux infections respiratoires aiguës comme la pneumonie et les autres allergies respiratoires. Pour te dire que toutes ces maladies sont causées par le froid et avec cette poussière. Ah bon Hey, Adnan, viens vite, je vais aller te laver tout de suite. Comme ça, je vais t'habiller et il ne faut pas que tu tombes malade. Hey, hey, hey, attends, pas tout de suite. Il faut les laver quand le temps est ensoleillé il faudra ensuite bien l'habiller avec des vêtements chauds, de préférence en coton, jarre, pullover, des bonnets pour protéger la tête et les pieds avec les chaussettes. N'oublie pas d'utiliser des couvertures chaudes pour les couvrir la nuit quand ils dorment. Tout cela te permettra de protéger tes enfants contre les maladies respiratoires liées à matin. En plus, tu n'as pas à les laver tous les jours, une fois tous les deux jours suffit. En tout cas, mieux vaut prévenir que guérir. Cette fois-ci, je ne laisserai pas du tout Adnan attraper une de ces maladies. Compte sur moi et merci beaucoup, voisin. Ah, en tout cas, fais gaffe, ma chérie. Sinon. Hmm. Merci bien les filles. Passons à présent à la rubrique culture linguistique et ça sera avec Asumana China. Bonjour China. Bonjour, bonjour à tous. Euh, bonjour China. Et le mot du jour est hein? Le mot du jour c'est panafricanisme. Donc le panafricanisme est un mouvement et une idéologie politique qui promeuvent l'indépendance totale du continent africain et encourage la pratique de la solidarité entre les Africains et les personnes d'ascendance africaine, où qu'ils soient dans le monde, indépendamment de leur origine ethnique, leur appartenance, etc. Ce mouvement connaît sa première manifestation avec l'organisation de la conférence panafricaine de Londres en 1900. Il se prolongera au XXe siècle avec la Renaissance noire de à Harlem dans les années 1920 et le mouvement de la négritude en 1930. Le panafricanisme permet aux jeunes chercheurs africains d'échanger leurs travaux afin d'avoir un certain cadre de réflexion sur les problèmes qui minent l'Afrique. Et donc, je votre panafricanisme kalma ce wadda aka ce yunkuri ne da aƙidar siyasa tare da gurin ganin nahiyar afirka ta samu incin kanta kwata-kwata wannan yunkurin na ƙarfafa haɗin kai tsakanin 'yan afirka da 'yan asalin afirka duk inda suke a duniya ba tare da la'akari da tushensu na ainihi ba ko kuma al'adunsu da kuma alaƙarsu wannan kokowar ta soma ne a yayin da aka shirya wata babban muhawara ta nuna kishin afirka a birnin london na kasar ingila a shekarar 1900 kuma take ci gaba har yanzu wannan tsari dai zai baiwa matasa masu bincike 'yan afirka damar su yi nazari a game da matsalolin da ke addabar nahiyar ta afirka kun ji a takaice ma'anar wannan kalmata ta pan-africanism da hausa merci bien china à très bientôt C'est l'auditeur. merci encore de l'intérêt que vous portez à cette émission. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos messages. Écoutons quelques-uns. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. sera daga kalwan ci khazari fudan sadar gani studio kalangu arwa grazan ani silawun taginin balle won tamadrak balle mardu shirina sawan agoradi wulle akal jinto sa atgrua isalan studio kalangu kuma tafrega tuta lambanna sawan narte la tgru isalan sanarwa studio kalangu wa juto sani jar nigarro isalan mignat yalla tafaqan sa ayuba alhaji biyanu anan garin ciro masha Allah studio kalangu masha Allah muna barka samun kalangun kullum kullum mutane suna ce mana suna jin daɗin wannan shirye-shirye kenan shi yanzu wanga studio karangu mutane suna ba da goyon baya ɗari bisa ɗari kan a ƙarfafa shi wallahi yana burgewa studio karangu ba ni kaɗai ba duk mutane su dinga yin deplace su zo cikin jahohi da ƙauye ga auditor kin nasu haka na yana da daɗi mana Muhammadu Ibrahim tabbas ina da daga cikin masu sauraron studio kalangu musamman ma shirin su wanda suka kara lokaci na sahi wannan yana katar da musu domin a studio kalangu ne muke jin labaran gaskiya ba jite-jite ba muna jin kamar ka ji wani labari a cikin gari ko baka yarda da shi ba in studio kalangu ta faɗi wanda ta ce an yi wani ba gari kaza ko gashi gashi abin da ta faru a cikin ƙasa muna gane gaskiyar bayani a studio kalangu ina gaida Je m'appelle euh, Ali Adam, je suis à Ngingim je fais partie parmi les euh, fidèles auditeurs de l'Istudio Kalangu. Vraiment, nous apprécions leur programme qui diffuse euh, par les différentes langues, surtout les forums, les informations qu'on écoute par les différentes langues en français et en Mais nous, ici dans la région de Difa, plus précisément ici à Ngingimi, il y a des meilleurs auditeurs auditeurs ici des studios Kalangu, mais malheureusement, certaines de nos populations n'entendent pas le français ou bien le Hausa. Donc, euh, si possible, nos réclamations par rapport à Kalangu, c'est d'insérer la langue euh, au moins même si c'est Kanori ou bien Toubou ici à Nguingime, pour que les auditeurs puissent bien écouter tous les programmes qui se passe à l'Istudio Kalangu. Hussein Ibrahim nake anan cikin garin Egime nake. Muna cikin masu sauraron radio ga Kalangu. Muna sauraren shi mu yana birge mu sosai muna cikin yan cikin wanda suke surara ko da yaushe ko da su erkin da ake sa A Hausa da Faransai yake birge mu. Eh, ina ga da Dilamaina, ina ga da Shaf Haru, ina ga da Taknise Inisa Santal Suleiman. Point final de cette édition du 26 décembre. On se dit à demain avec un nouveau duo, bien sûr. Vous étiez en compagnie de Habib Ahmed et Rabia Mekano. L'édition a été assurée par Adam Adawaki, la technique par Seini Isaka. Très bon après-midi et euh, voilà.